Rakia, Dondi, la machine te souhaite la bienvenue une fois de plus sur cette émission. Tout va bien Tout va bien. Dis-moi que t'es en forme Ouais, ça va, ça va. Super, on va parler cette fois-ci de l'album À la racine. À la racine. À la racine, pourquoi à la racine Parce que euh, je cherche mes racines dans cet album, tu vois, les racines du Niger que j'ai jamais connues. Ok, on va parler de cet album. Un album déjà de combien de titres 10 titres. 10 titres l'album. Le premier de l'album s'intitule euh, Déchirer mon visage. Déchirer mon visage. Alors, quel est le message que tu voulais en fait véhiculer à travers euh, Déchirer mon visage En fait, c'est une chanson qui parle de moi quand j'étais enfant. Quand tu étais enfant J'ai été adoptée par une famille française Tout blanche. Fait. Et euh, je voulais plus être noire ni être une enfant abandonnée. Ok. Donc je déchirais les photos de moi. Ok. tu ne voulais pas être noire quand tu étais enfant Non, je voulais être comme ma famille. Comme ta famille. adoptive. Adoptive, tout à fait. Normal. Et donc je déchirais les photos de moi, en plus jeune, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Donc du coup, c'est déchirer mon visage. Oui, Super. Et le deuxième titre euh, de cet album euh, parle de quoi le deuxième titre, c'est Face à vous. Et en fait, euh, ça parle du monde politique, tu vois. Ça parle du monde politique. C'est-à-dire que quand moi, je regarde la télé, ok je me dis, le, refrain, c'est ça. C'est... Où est le pire face à vous Je cogite, tu vois le pire Être fou, être vide, dis-moi. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que nous, les artistes, on est considérés comme des fous un peu. Euh, ah, vous êtes même des fous, hein, bien sûr. <laughs> mais eux, ils sont vides, tu vois. Par ils exemple, sont vides. Le troisième extrait, ça s'appelle Sous le soleil. Et ça parle de ma mère biologique que j'ai pas connue. Et que j'imagine dans mes rêves. Imagine la mer biologique dans tes rêves. C'est ça sous le soleil. L'instinct est solennel, Les de gentlemen. On va kiffer sous le soleil sur cette émission. J'imagine ma mère Touareg. Touareg. Que j'ai pas connue. Tu n'as pas connu. Tu l'en veux pas Non, je n'en veux pas. Super. Certainement, elle va se souvenir de Rakia. <laughs> Transmettez le message, mesdames et messieurs. Je veux qu'elle se souvienne. L'eau avait pris son ventre. Waouh. Là, sous bah, ah, Je ne me fait pas pleurer sur cette émission, Rakia. Ok, d'accord, considérons qu'elle nous entend, considérons que euh, euh, Tawa regarde cette émission, considérant que le Niger en intégralité regarde cette émission. Quel serait ton message à l'endroit, euh, bien évidemment, de la mère biologique, de l'artiste Rakia Ben, ce serait un plaisir de la rencontrer, peut-être dans cette vie ou dans une autre vie. Waouh immense, c'est qu'elle vient de dire. Elle m'a donné les larmes aux yeux, comme on dit. Ladies and gentlemen, nous sommes toujours sur l'artiste s'exprime pour ceux qui viennent nous prendre en cours. Euh, cette euh, rubrique de l'émission Tous à la Fada consacrée à Rakia. Rakia, une artiste nigérienne euh, vivant en France, qui a connu pratiquement toute sa vie en France, qui n'a jamais eu la chance de venir au Niger, qui a envie de revenir à la racine. Parlons cette fois-ci donc du prochain le prochain extrait, c'est à la racine. À la racine, même en question. Ses origines, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Un message euh, euh, particulier à l'endroit de tous qui regardent cette émission pour te permettre de retrouver véritablement tes racines, ceux qui t'ont déjà épaulé, ceux qui t'ont envoyé des, milliers de messages. Déjà, ils regardent cette émission. merci beaucoup pour vos messages. Super, comme on dit. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Pour de ça et ça et ça, qu'est-ce qu'on retrouve à travers le truc On peut citer quelques titres déjà de l'album pour mhm. aboutir à la fin. Alors, il y a La vallée, la Normandie. La vallée, la Normandie. C'est une chanson d'amour. Chanson d'amour. Tout simplement. Euh, ensuite, euh, il y a un morceau qui s'appelle Qu'il se moque. Qu'il se moque. C'est contre le racisme. Contre le racisme, ok, d'accord. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'on retrouve déjà hum, Ensuite, il y a la chanson Sur ma peau. Sur ma peau. En fait, c'était une personne qui m'a aidé dans le monde professionnel, mais qui était quelqu'un de très malsain pour moi. Ok. Et donc, euh, dont je me suis séparée. Et maintenant, euh, trois titres. Hein. Il reste deux titres. Deux titres, ok. Euh, quelle chance Quelle chance En fait, c'est une, chanson d'amour pour mes parents adoptifs parce que euh, j'ai de la chance d'avoir été adopté par eux. On peut le faire plaisir sur cette émission vite fait Ouais, je peux te faire écouter. Oh, fais-moi écouter un peu, quelle chance d'être adopté. Un tout petit peu. Oh, oui, on écoute un peu. Attends. Ouais. Je veux rentrer chez moi, chez vous. Faut-il dire chez moi ou bien chez vous <laughs> Je pose les armes, j'ai grandi on met une petite pause sur pratiquement la fin de l'émission. Ça, c'est quelle chose Et en deux de quelle chose Qu'est-ce qu'on a encore Et une dernière chanson qui s'appelle Petit grain de sable. Petit grain de sable. Là, on va la voir. Euh, c'est la dernière chanson de l'album Un message, un message très très fort à l'endroit de tout ce qui nous regarde. C'est ça, au fait, le concept. Rakia s'exprime. Merci à tous d'avoir euh, suivi cette émission, d'avoir écouté ma musique. Je m'appelle Rakia. Je suis sur Facebook euh, et sur Instagram. Suivez-moi. Euh, moi, je cherche à retrouver mes racines et j'espère que je vous trouverai à travers ma musique. Et croyez en vous. Voilà, c'est mon message. Tout simplement. Et si parle l'artiste. Je veux guérir et retourner le sablier